Oui, la, la larva migrans, c'est une parasitose euh, due à la pénétration euh, kilostome des larves kilostome de divers animaux, euh, tels que le, le, chat ou bien le chien. Donc, euh, cette larve-là passe à travers la peau. La transmission se fait par le contact avec le sol mouillé, le sol mouillé par cette larve-là. Donc, euh, à travers les déjections des animaux, des chiens, des chats et même certains animaux, euh, les moutons, donc euh, l'homme contracte la larve et la larve passe par, par la peau sous-épidermique pour permettre de constituer des, des, réactions inflammatoires et même allergiques au niveau de la peau. Et quand la larve rentre dans la peau, vous allez voir, euh, d'abord, ça va constituer un petit bouton. Et ce bouton-là est un peu douloureux. Parfois, ça gratte, parfois, c'est douloureux. Et un peu plus de temps, la larve migre à l'intérieur de la peau et elle va constituer un sillon. Et ce sillon est aperçu comme si c'était un petit, des petits vers sinueux, serpigineuses là qui sont euh, sous la peau et qui se déplacent dans la journée de quelques millimètres à 1 cm euh, par jour. Ces sillons-là, cliniquement, dès qu'on les voit, on sait que c'est la larva migrans, mais il y a d'autres parasitoses qui ressemblent à, à cette maladie, telles que les, angulules aussi, telles que les migrations des l'oise euh, aussi. Mais cliniquement, les sillons est plus fin. Comment traiter cette maladie nous avons divers médicaments antiparasitaires utilisés dans l'OTAN. Dans l'OTAN, il s'agissait du thiabandazole qu'on utilisait. Après, on ne fabriquait plus ce, médicament et on est tourné vers l'albandazole qui est aussi efficace que le thiabandazole. L'albandazole est prise à dose usuelle, c'est-à-dire euh, les comprimés de 400 mg chez l'adulte une fois par jour pendant trois jours. Et parfois, on peut associer des traitements locaux à des de préparation magistrale avec toujours le même produit. Mais l'un dans l'autre, le traitement oral seul suffit à traiter la larva migrans cutanée, qui est d'ailleurs une parasite en impasse parasitaire parce que l'homme, normalement, le parasite, au bout de quelques semaines ou mois, le parasite meurt euh, dans la peau et les manifestations disparaissent. Pour éviter, et comme je l'ai dit, comment contracter C'est à travers le sol souillé par les déjections des animaux et c'est par le contact avec ce sol souillé-là que la maladie va se transmettre. Maintenant, pour l'éviter, il faut éviter le contact avec le sol souillé. Donc le contact avec la boue, surtout en période pluvieuse. Et la maladie est très fréquente à cause des, flaques d'eau, à cause des jeux des enfants dans les, dans les mares. cette maladie est très fréquente en saison pluvieuse. Donc pour éviter cette maladie, il faut éviter le contact avec le sol souillé par la déjection de ces animaux-là.